wasn't Ami de la Fada barkanku da warhaka barkam da sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin naku. Shirin Fada kenan wanda ni Fanta Shamsu nake gabatar muku da shi a wannan marit. Aujourd'hui dans votre émission Tous à la Fada, nous allons parler de la place de l'apport et du rôle des aînés dans l'éducation des plus jeunes, mais aussi des limites qui s'imposent souvent à eux. Wato yau dai fadar tam ta karkata ne akan matsayi da kuma nauyin da ya akan fari, wato babban yaya ko big bro in ji Nigeria, surtout Dans certaines sociétés africaines traditionnelles, le premier-né d'une famille se trouve parfois marginalisé. Il lui est refusé la chaleur et l'amour maternel et même paternel. Il est celui dont prononcer le nom devient même tabou. Le sociologue Alou Aye dit d'ailleurs dans une interview accordée au studio Kalangu, on a créé une sorte d'obstacle sociétal qui fait en sorte que ses enfants aînés sont mis de côté et on privilégie beaucoup plus ses frères à lui, ce qui constitue une source de frustration pour lui. Une interview que vous pouvez d'ailleurs retrouver en intégrale dans un reportage sur le site www.studiokalangu.org. Wato sai ka ji da wani abu ya faru da dan fari ko kuma in ya aikata wata yar karamar kaba ko banna sai a ce kai ku bar shi dan farin ne. Amma su wa'annan 'ya'yan farin kuma su ne ake dora ma nauyi da yawa a cikin tarbiyyar kannansu. Su ne kuma daga baya idan wani abu ya taso dangane da kannansu kuma iyayensu ake kiransu ake sanya su a gaba. Me san ne non plus qu'ils n'ont pas de privilèges complètement. Il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse qui leur donne une certaine notoriété sur les cadets. Ils peuvent prendre certaines décisions à leur place. Wane irin nauyi ne ake ɗorawa akan 'ya'yan fari? Wace irin gudunmuwa suke badawa a cikin tsaro da tarbiyyar ƙannansu Yaya suke ji da ɗawainiya da kuma nauyin da ake ɗorawa a kansu? Ga waɗannan tambayoyin ne za mu yi ƙoƙarin kawo muku amsoshi a cikin wannan shirin namu na mu haɗu a fada. sauraron mu yau a cikin fadar muna tare da manyan baki da John qui ont bien voulu nous honorer de leur présence. Bari in shayi in ba su fili kowanne ya gabatar da kanshi zan fara da 'yan matar da ke ta. Bonjour, ah, je réponds au nom de Rachidat Jibrilla, étudiante en journalisme audiovisuel licence 3 à l'IFTIC. E Bonjour tout le monde, quant à moi je me présente Abdoudouna Rachidatou, étudiante en FSJP. Bonjour, je me nomme Maman Alima Sadiat, je suis commissaire. Bonjour tout le monde. Bonjour. Euh, moi, je réponds au nom de Amina Salfabou, euh, sportif. Bonjour. Bonjour. je réponds au nom de Farida Munkela, journaliste à la radio Odata. Donc, on va commencer avec nos questions directement. Oui, cikin ku akwai dan yar farin zancewa tunda ya ke da fiya. Sadiya tana kallo na. To, Sadiya, etire ne, es un cadeau ou bien un fardeau? Na ce, mu dai yayin fari, Fardeau, ne kuma kuma cadeau ne. saboda abin da ce ne don wani abubuwa da ya kamata a yi a gida ke ne gaba kamar an kawo abu haka ke za ba a ce gashi ki raba kanninki ko wani abu na gida na yin abinci na abinci ne ko din abincin su ko wani abu haka ke za ba responsibility wannan duka amma dai faro ne wanda ya zama wajen tarbiyyar da su ko me shi ya fita baka san wanda ya je baka dawa ka tambaye an ce kai yayan kana gida baka san wanda kanin ka ya je ba to wannan duka don abin da kani ya yi kai kanka ake dorawa yake ce kai ne masalin da kina kula da su da wannan duka bai zai faru wato ke ce example inda ya kamata su kalla mm. su yi aji kenan idan ba su yi daidai ba lahinki ne haka ne to ni dai zan iya cewa kado ne saboda mu ma da kanmu yan harin kamar muna iya ba da tarbiyya muna iya ba da example mai kyau da yara za su gani eh kannan ka za su gani su kwaikwaya su zama wani abu cikin duniya yau yau in kai karatu kai babba kana ka dole da ya duba ya ga na gaba da shi ya zama wani abu dole shi ma ya yi kokari ya zama wani abu amma in na gaba ya ɓaci ina gani a wajena na baya ma sai dai <laughs> da wuya a samu a tarbushi gaskiya mm-hmm. da gaba ake daukan model ko kuma ake koyon wani abu mm-hmm. alors rashida vous Le fait d'être aîné, c'est un cadeau pour vous ou bien c'est un fardeau Bon, je dirais les deux. Euh, un cadeau parce que au moins euh, tu es devant les petits frères et les petites sœurs. Tu as la possibilité d'avoir des choses aussi. Et on te consulte quand euh, on veut prendre des décisions dans la famille. Et aussi, tu donnes, la personne donne le, bon exemple. Et aussi un fardeau parce que les petits frères et les petites sœurs doivent prendre un exemple sur toi. Si tu dérapes, c'est que sur eux, eux aussi ils vont dire non, la grande sœur a dérapé, pourquoi nous aussi on ne va pas suivre ce que la grande sœur a fait. Donc c'est un cadeau à la fois aussi, un fardeau aussi. Et quant à moi, je veux dire que être aîné, c'est un cadeau. Et parce que quand on est aîné, on assure la responsabilité de la famille. Et on intervient dans l'éducation des enfants, de ses petites sœurs, de ses petits frères. Et on, on allégit à quelque sorte les parents dans leur rôle là, tu nous donnes ton, ton regard de petite soeur, c'est ça Oui, et je pense que être euh, vraiment l'aîné, c'est un cadeau. Et c'est un cadeau parce que quand on est aîné, c'est une joie, c'est une joie de participer dans le développement de ses petites soeurs et de ses petits frères. Mhm. Merci beaucoup, Rachida. Um, Farida, toi, quel est ton regard sur les aînés C'est pas. <laughs> Euh, parce que moi, j'ai un grand frère aîné, du coup, c'est pas facile d'avoir un grand frère aîné, surtout quand il est à la maison, n'es pas libre. Voilà, il essaie de te mettre sur le chemin droit, mais Je sais pas. a sai manières qui ta pas trop. Ouais. To Amina, barin komo gare ki. Yanzu idan aka ɗauki zancen gudunmuwa ta fannin tarbiyya, ke menene kike ganin ya kamata a ce babban yayi wa kannan shi? Kamar wani nauyi ne ya rataya a kan shi babba cikin eh, tarbiyyar kannan shi? Ni dai a gaskiya abin da zan cewa eh, abin da ya kamata ya duba buskan tarbiyya shine kamar yanda su zai zama kwa saboda tarbiyya tana da kyau tarbiyya tana da kyau shine kuma ya kasance yara suna girmama junansu saboda yau in ba su girmama junansu ba ta yanda za su girmama ka har su girmama wani na waje ni a waje na a gani na kwa kenan yana da kyau wani irin zagi ka yi masu su wani hita-hita kamar yadda uwa ta wata ke faɗi cewa <laughs> alahalata abubuwa tana yin zahi tana ji tana gani kamar ana masa mata ne a loke ana duba mata ne nan gaba ta zama wani abu saboda duk wanda ya tashi da shiririta ba ta yanda zai zama wani abu tun kana yaro ka tashi da shiririta in ka girma da shi sa sai ka tuko ta kuma yanne suna da babban muhimmancin babbar rawar da suke takawa suke takawa cikin abin ga cikin gida cikin tarbiyyar su kuma saboda in ba iyaye kai ne in kai magana dole a shi to ke yanzu tare da kananki ya kike musu <laughs> ni gaskiya yadda nake masu dan da aiki sai mu nake ma kina daukan matsayin babba wani gaskiya haka ne haka ne sai complique parce que suna tsoro na kwarai tunda ni akwai abubuwa da yawa da nake hana su kuma in ta kama in da ka bugu nake duk duk abubuwa da yawa ina hana su suna ga ina takura masu ne amma na san da cewa ina so su zamo kamar ni ku siyan fesa. Amina, avec beaucoup de rigueur, ça c'est la sportive qui parle. <laughs> Auraren Bertuwa eh, Sadiya. Sadiya kin shi abin da Amina ta faɗa. Eh haka ne. Ta ce har bugo take yi ta kama. <laughs> Ke fa ya kike yi tare da su? Ni dai kan ni ba na saurin bugan aka ba na saurin buga mutum. Zan yi maka magana ne sau daya sau biyu don ni da kan nina in ka ga muna nan muna fira kin ce wani lokaci ma ko fita zan yi ni da su ne. su ne kawaye na saboda mu mata ne ke da yawa ko ina za ni da su ne a baya ko biki ne ko fita ne ni da su ne to ke yanzu a matsayin ki na yaya mm. kamar wane wata sharji kike ji ya kamata a cikin ɗauka cikin tarbiyyar kannanki sharji ne da nake gani ya kamata kamar yanda suke wani lokaci don akwai wata kanwa in dai tana fita inda take fitan nan ko kawaye da nake ga suke baya yi mun ina yi mata fada sai tana ga kamar ina takura mata kuma ba haka ba ne don ni na ga yadda ni na yi rayuwata kamar wanda muke nan wajen nan akwai wani wuri da ya kamata ba kowaye ya kamata kana bi ba ko kuna abin ga kuna ma'amala da su to saboda shi na ana mata ita tana ga kamar takura nake mata kuma ba aka ne kina son ki sata a hanya a hanya ne Kafin mu ci gaba da gabatar muku da shirin na masu sauraron mu za mu jaye mu saurari wannan shirin da 'yan mata studio kalan kuke gabatar muna wato larry brick Rose. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes, de la rubrique rose. Bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette rubrique dédiée au bien-être. Justement, ravi dans cet espace, aujourd'hui on parlera du burn-out qui se traduit par un épuisement physique, émotionnel et mental en français. Et de l'espace sport, Fanta, on évite des pièges en fitness. Coucou les filles Aujourd'hui, dans la partie santé et bien-être de la rubrique rose, nous allons parler d'un mal qui n'est pas tellement pris en compte au Niger. Il s'agit du burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Par définition, le burn-out, c'est l'épuisement physique, émotionnel et mental qui nous arrive lorsque nous nous investissons beaucoup trop dans un travail, par exemple. Ce sont les recherches de la psychologue américaine Christina Maslach qui ont permis de situer cet état d'esprit. Pour couper court, le burn-out, c'est quand on travaille beaucoup trop sans répit. Comment ça manifeste. Le syndrome d'épuisement professionnel n'est pas une maladie caractérisée. Il se manifeste par des signes progressifs et souvent assez difficiles à diagnostiquer selon les spécialistes. Ils peuvent être émotionnels, anxiété, tension musculaire, tristesse ou manque d'entrain, l'irritabilité, l'hypersensibilité, l'absence d'émotion. Ils peuvent aussi être cognitifs c'est-à-dire des troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration. Ces signes peuvent s'observer dans le comportement de la personne, le repli sur soi, l'isolement social, comportement agressif voire violent, diminution de l'empathie, ressentiment et hostilité à l'égard des autres collègues. Les signes du burn-out peuvent aussi être liés à la motivation ou à l'attitude de la personne. Il peut s'agir du désengagement progressif, de la baisse des motivations et du moral, de l'abandon des valeurs associées au travail et du doute sur ses propres compétences Lorsque la personne se remet tout le temps en cause sur sa vocation ou se fait une auto-dévalorisation. Ces signes peuvent aussi être physiques, l'asthénie, la fatigue générale, troubles du sommeil, douleurs articulaires au dos, aux muscles, des crampes, des céphalées, des vertiges et même des troubles gastro-intestinaux. Voilà les filles, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous vous retrouvez dans tout ce que je viens de citer, il est peut-être temps de faire une pause et de vous occuper de vous. Demain, nous verrons comment gérer le stress au boulot. On passe au sport à présent. Justement, dans l'espace dédié au sport de cette rubrique, nous avons recueilli pour vous, grâce au site web www.objectiffitness.com, 5 erreurs que les femmes commettent et qu'il faut à tout prix éviter pour atteindre leurs objectifs fitness et santé. D'où l'importance de savoir comment les corriger. Plus vous en savez sur le fitness, la musculation, la santé, la nutrition, plus vous maximisez vos chances de réussir dans votre programme. Ne commencez pas votre programme sans avoir recueilli les informations nécessaires parce que la quête de santé optimale est un projet de longue haleine. Il est essentiel que vous compreniez les bases dès le début. Premier conseil, évitez de tout miser sur le cardio training, entraînement cardiovasculaire. C'est un exercice qui permet d'améliorer la performance du cœur et des poumons pour une meilleure distribution de l'oxygène dans l'organisme. Alors que beaucoup de femmes croient que cet entraînement va les rendre minces et costauds, la plupart des femmes aimeraient avoir moins de gras et être plus toniques afin de perdre du poids et sculpter votre corps, vous devez incorporer des exercices de résistance dans votre régime fitness, donc de la musculation et pas des poids plumants. Hein. Deuxième conseil, évitez une diète trop faible en calories. Il y a une légende urbaine qui raconte qu'en s'entraînant plus et en ne mangeant presque rien, on perd facilement du poids. Et bien que ce principe puisse fonctionner sur une courte période de temps, il provoquera très probablement de nombreux problèmes a posteriori. Une diète trop faible en calories peut avoir des conséquences. Carence en nutriments, perte de masse musculaire, maigre. Maigre, c'est vraiment pas l'objectif <laughs> recherché. Hein? Métabolisme lent, manque d'énergie et d'acidité mentale, voire même la dépression. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres conseils fitness et bien-être. make you double take. Soon as I walk away, call up your chiropractor just in case your neck breaks. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu et nous allons continuer notre émission Tous à la Fada. Inda yau a studio Kalangu muke ci gaba de tattaunawa akan maudu'in mu na yau wato nauyin da ya rataya akan fari a cikin tarbiyar sauran kannansu. Zam mu ci gaba da tambayoyinmu. Euh, Amna bari Ce que vous avez pu observer autour de vous, ou ce que vous avez vu, ou ce que vous avez même vécu. Yaya kuke ganin nauyin nan da ake fari? Kamar a ce kai ya kamata addu'a a l'erreur kamar yanzu ke kai da kanki abin da ke kwatanta mana kenan ya eh. kike gani est-ce que ça fait pas trop de pression non non. ni gani ke ba pression bane ne tunda uwayenka so suke so kama na kasa da kai su dauki example a kanka kenan dole su masa maka akan kai ka kai kuskure kai ka kai kuskure kai bai kamata kai kuskure ba komai ya kamata ka yi shi da hankali kana su ka san me kake yi saboda saura su ma bai kai sai sun zamna suna masu suna maimaita masu eh, abin da za su faɗa maka model ne da sun gani kenan bai kai sai sun yi magana ba yaran ils seulement suivre euh, leur grande soeur donc euh, c'est un peu ça Rachida de ce que vous avez pu observer autour de vous ce que vous avez vu ou entendu ou vécu même. Comment tu trouves toutes ces euh, responsabilités qui pèsent sur l'aîné Comment tu trouves Tu trouves pas que ça fait trop de pression sur lui hum, Des fois, j'aime quand le vieux prend des exemples sur moi aussi. Hum. Ah ouais, surtout par rapport à celle qui me suit, elle, elle ne reste pas tranquille du tout. Elle n'aime pas étudier, c'est ça son problème encore. Donc, je fais de mon mieux pour euh, la mettre sur le droit chemin. Surtout des fois, maintenant, elle utilise un téléphone portable sans que le vieux soit au courant. Des fois, je prends le téléphone, je cache ça. Des fois, je prends l'initiative de, de casser ça. Mais je me dis que quand même, je tiens un peu à elle. Donc, si j'essaie de, de, de, la mettre euh, sur le droit chemin, de lui montrer ce que. Parce que moi-même, j'ai pas vécu dans la rose, la belle vie, ben, quelque chose comme ça. Je dirais pas que je suis. Euh, que j'ai vraiment eu. Euh, genre, on ne m'a pas montré assez d'amour, quelque chose comme ça. La famille. Oui, je sais Et en Afrique, c'est un peu ça. C'est pas qu'on ne m'aime pas, mais du coup, je me dis que ils disent que s'ils me montrent assez d'amour, je vais déraper quelque chose comme ça. Donc, je veux, je veux pas assurer que mes petites soeurs ou bien mes petits frères vivent le même cas que moi. Ça, je veux pas. Je... C'est pour cela, même maintenant, j'essaie de créer des conditions, de leur donner ce que moi, j'ai pas eu à voir. Parce que je dirais pas que j'ai pas eu assez de choses, mais j'ai pas utilisé un téléphone portable lorsque je faisais le collège et le lycée. Il a fallu après le bac pour que le vieux m'achète un téléphone. Donc, je veux à ceux qu'ils sachent que ils n'ont pas, eh, ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs chercher quelque chose. Tant que je suis là, leur grande sœur est là, ils auront toujours ce qu'ils veulent avec moi. kin shi abin da ta faɗa sadiya ke ya kike ganin nauyin nan da ake ɗora ma 'ya'yan fayar ba ki ganin kamar pression ne ake aza musu misali a ce ga babbar ya a ce ƙaunar ki za ta aure haka wani wala wata gudunmuwa da ake tambaye ki ko kuma cikin karatun ta hakan ga ana iya a ce ka kawo contribution da sauran ba ki ganin kamar ya yi zan wata pression hakan ga a ba pression ba ne ni ban gan shi kamar pression don ya kamata ne Moi, je pense que c'est une très, c'est une très belle chose puisque l'aîné, c'est un modèle à suivre, que ses petites soeurs, ses petits frères doivent suivre. Quand nez se perd, il est vraiment difficile que ceux qui suivent ne se perdent pas. Donc un, aîné doit vraiment assurer doit mhm. assurer les responsabilités en tant qu'aîné. Parce qu'aujourd'hui, les parents sont là et demain, si les parents n'y sont pas, c'est à l'aîné de les remplacer. Donc, en tant que tel, ils devraient prendre les mêmes responsabilités que les parents. Et la question suivante, Farida, est-ce que tu ne trouves pas que certains aînés étouffent euh, leurs petits frères en voulant bien faire euh, Des fois, c'est pour leur bien qu'ils font ça et je ne dirais pas que c'est mauvais, mais quand même, euh, ton surtout comment... les, les hommes vraiment, si tu as un grand frère il est <laughs> c'est pas facile. Il sera trop dur avec toi. Il essaye de ne pas comprendre. Il fait des choses, comment ça, ça énerve, mais bon, même c'est la famille, voilà, on peut passer et puis. Et dans un monde idéal, comment toi tu aurais aimé que lui agisse avec toi Qu'il essaie de comprendre. Il Qu'il te libère un peu ton espace, quoi. Un peu, voilà. Pas me conseiller à 100%, c'est pas bon. Tout est fait et geste que tu fais, il te suit. Tu vas où tu fais quoi Tu attends quoi pour entrer Tu es où c'est pas facile d'avoir surtout un grand frère aîné. Ça, elle me rappelle hein, mon petit frère. il a 9 ans maintenant. Un jour, je l'ai frappé. Il m'a dit, comme m'appelle mamie à la maison, il m'a dit, eh, tu sais que si j'étais à ta place et que toi, tu étais à ma place, j'étais plus petite que lui, il allait me frapper plus que ce que je lui fais. <laughs> je le trouve carrément dans la maison. Quand je suis là, je les empêche de sortir, sincèrement parlant. Oui, peut-être c'est après vous allez comprendre que c'est pour votre bien aussi. C'est parti donc pour la pause musicale. Les amis, Osam Saurari Ananta, Seydani de Barakina. Seydani, Seydani Sarki. Seydani, Seydani, Seydani Nini. Seydani. ni sarki komi batta yi sai da ni batta kuma batani nisa da ni batta nisa ita bataji shi sai da ni bata shi sai da ni abokan su kan ce gumi da gulma su samu cikin zulumi sai ta ce sai da ni sai da ni sai da ni sai da ni Zedani, bad boy Zedani. Call me bad boy Zedani. Come my bad boy Zedani. Ita bad boy Zedani. baban ki besani, mama ki ba dengi ki ba ba amma ke kin sani na so na san da kin so ni be ke ki cece mu ki ce ke zaki mu ke zaki ce musu ba cuce ki ba shagali shagali Masauraran bar mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu na mu haɗu a fada bayan mun shakata da wakar nan ta barakina sai da ni. Maudu'in mu na yau shine nauyin da ya rataya a kan 'ya'yan farin a cikin tarbiyyar sauran kannansu. Kamar yadda na faɗa yau muna nan filin studio Kalangu tare da manyan bakin mu À côté de moi, Reshida, la journaliste à côté de Rachida, l'avocate, Amina et Farida. On va continuer avec nos questions. À votre avis, comment doit être le comportement des nini envers ses autres frères et comment ces derniers doivent-ils eux aussi se comporter avec leur aîné La question est adressée, Rachida. D'abord, le respect entre les frères et soeurs, parce que s'il n'y a pas le respect, si euh, le grand frère ou bien la grande soeur ne se respecte pas, même les petits frères et les petites soeurs ne vont pas le, euh, le respecter ou bien la respecter. Donc, il doit, euh, le grand frère ou bien la grande soeur doit avoir un bon comportement, savoir respecter ses parents, aussi avoir un bon comportement dans la société pour que au moins on va prenez l'exemple de votre grand frère ou bien de votre grande soeur ah, la personne ça, ça fait plaisir ouais ça ça me fait <laughs> plaisir du côté de mon papa là il me prend un exemple ça j'aime ça quand il fait ah. ça avoir surtout c'est surtout avoir un bon comportement envers les parents parce que même si tu dis tu vas avoir un bon comportement envers la société il y aura toujours des gens qui vont te critiquer et autres donc et leur montrer le respect puisque si tu si tu ne respectes pas les parents eux ils ne vont pas faire ça je dirais pas que le grand frère doit, être, doit avoir un comportement idéal, mais quand même, il doit avoir le maximum de respect pour ses petits frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, si tu respectes pas tes sœurs, tes frères, ils vont pas te respecter en retour. Et tu dois aussi respecter les parents aussi. Parce que c'est à travers le, le, lien qui vous unit, toi et les parents, le respect qu'il y a. C'est à travers ce respect que les jeunes aussi prennent l'exemple. Et tu dois aussi créer un lien qui doit permettre aux, frères et sœurs de s'épanouir un tout petit peu, de ne pas trop les coincer. Parce que quand tu les coinces, même s'il y a le respect, il y, aura une certaine façon, ils vont taillir d'une certaine façon. Donc il faut créer ce, cet environnement de paix entre toi et tes petits frères et sœurs et dans la société aussi, dans la société aussi. Il faut faire en sorte que non seulement qu'on te respecte, qu'on respecte ta famille aussi, tes petits frères. sai gare ki sadiya ki a ganin ki yaya ne babba ya kamata ya yi babba ya yi mu'amala da sauran kanan shi to ni yadda na gani shine girmamawa yadda suka ce respect girmamawa to in kai ka girmama wanda ya fi ka to kannin kama da suke eh, da suke bayan ka su ma za su aka za su dinga girmamawa maka amma dai inda ba baka girmama mu iyayenka ko inda kake yi comportment ka su ma za su su doki irin shi su ga kai kana yi ba a ce maka wani abu to su ma ko sun yi ba za a ce musu wani abu ba kuma mutum bai kamata ka ci da kanin shi ko wani abu baka ba su fuska ko wani abu haka ba wai ka ba su fuska ka ba su fuska amma dai ba wai ka bari su rena ka ba ka daga ba su fuska fira wani abu ne wani abu na damun su za su je su gaya maka kinga aka ne su haɗa ma waje wani mugun aboki da ba zai ba su shawara mai kyau ba mhm. to saboda shi eh, yayin da kani ya kamata akwai wani abun gaskanin su da za su suna gaya ma junansu abun da ke damun su ba sai ya ya gaya ma wani kawa ko wani abu abun bai zo ya mai shi bai zai ba shi shawara mai kyau ba rashida ta ce girmamawa sadiya ta ce sakin fuska ke kun me zaki ce mana dangance da mu'amalar da ya kamata a samu tsakanin yannai da kanne ni kuma zan cewa duka yana da kyau a saka masu huska kamar yadda ta ce huska amma ba kwarai ba tun da gaskiya raini in ka kai kai da kanka in ka bari ne za a raina ka in baka bari ba ba za a raina ka ba ana zama ana hira ana komai tare da kannai ana shawara ma tare da kannai amma ya kasance kana hada musu cewa kana gwada musu cewa kai kai ne babban su dan kai magana su ji saboda baka sa su cikin mugun hanya ka fi kowa son su tunda jinin ka ne kwa baka sanya su cikin hanya mugun hanya kwa don ku duku yana da kyau a ji shawaran manya a ji eh, yayanninka ka ji shawarar yayanninka in suka magana ka ji duk abin da kuke tare da juna ana dare ana hoda ana komai amma babba babba ne wala <laughs> babba babba ne to ke sadiya baki ganin wani bi kamar iyaye suna kawo eh, cikas wajen wannan girmamawan kamar don kika ga kananki kina son ki kwabe shi kananki yana yin wani abu maras kyau kina son ki kwabe shi wani bi uwaye suna hana ka kwabar su wannan kuma da iyaye ke yi kila ko eh kaninka na da bai da laifi yana da gaskiya kai ne baka da laifi kana so ka kobe shi saboda wadansu yayani ka gani saboda su yayani ne ko menene suna so da su ki makani kai to ko ya eh, kana so ka kobe shi nan bai kamata suna kiya maka gaban kaninka suna yi maka fada gaban shi ko gefe su su kira ka gefe su ce abinka da ka yi bai kamata ba bari shi ko iya yi sake yin shi ne to shi ne amma da gaban kanin ka gaba daya su kobe ka wannan bai yi ba to shi ke sa wa kanni wadda su kani za su fara rena ko menene suna yayi so don sun ga akwai iyaye ko yayi kuma menene iyaye ke eh, eh. amina an yakin yarda da wannan zancen nata eh na yarda kuma ina da neman abin da nake son kara kan wannan shine eh, iyaye ana cikin wuri ana zamne Sarki ba a cewa mutum bai irar duk da babba yadda yake babba eh, mutum ne da adam ne shi ma yana yin irar amma kamar irin abubuwan da uwaye ke gwadi gaban kannansu shi ke sa shi ma ke kawo raini saboda gaban yaro sai ka san kayi irar mai gaban yaro an zo ana maka hoda ana zagin ka wannan mai aka ce yaro ya yi wata ra in kayi irar ya bude ba shi ma ya zage ga eh mana amma in bani da gaskiya mamma ta zamna da take kin san wannan abin da kika yi bai yi ba ke wallahi mun muna san a yi hakuri ba ni karawa amma ba gaban yara ba sai in gyara kenan ba a ba su duruwa in gobe in na irar su yi mana hada ba sakta ban ce in na yi irar ba a mana hada amma na gaba da ni za su mana hada ba kannai na ba kannai ba su da duruwa su mana hada kongomar da iyaye ke yi a gaban idon kannai tana eh. kawo raini tsakanin kwarai ba kaɗan ba babba ya yi laihi On parlait de l'ingérence des parents, souvent. Quand un aîné veut euh, remettre son petit frère dans le droit chemin, il y a des parents qui, euh, qui s'ingèrent et qui empêchent à l'aîné et qui parfois même arrivent jusqu'à jusqu'à gronder l'aîné devant ses petits frères. Je dirais que j'ai vécu ce cas. Oui, avec ma petite soeur, celle qui me suit. Vraiment, c'est pas bon. Quand vous voyez un, grand frère ou bien une grande sœur est en train de gronder son petit frère ou bien sa petite sœur, laissez-le faire parce que lui-même, il aime ses petits frères et ses petites sœurs. C'est pas parce qu'il ne les aime pas. Ça m'arrive de me disputer avec mes petites soeurs. Si c'est pas maintenant que j'ai grandi, mais c'est que sur autrefois, si je me mettais à les frapper ou bien à les injurer, vraiment, ça allait parler pour moi de la maison là. Mais ça va maintenant. <laughs> Les parents ont compris. Non, ils ont compris, mais ils n'ont pas bien fait autrefois. <laughs> Et pour moi, avec les parents, et quand un grand frère veut corriger ses petits frères, bon, il faut qu'on lui laisse. Il faut qu'on lui laisse cette tâche pour que les petits frères, et les petites sœurs puissent savoir que c'est vraiment leur aîné. Parce que sans ça, sans qu'ils le corrigent, ils ne vont pas comprendre qu'il est devant eux. Il faut le laisser. Mais parfois, il y a des grands frères qui exagèrent un peu. Mais même après ça, c'est lui l'aîné. On ne doit pas le gronder, on ne doit pas lui parler mal devant ses petites sœurs pour éviter une certaine eh, frustration, ou bien impolitesse par la suite. Et quand un grand frère corrige sa, petite sœur, son petit frère et que c'est le grand qui, c'est le nez qui n'a pas raison et on le laisse. Après, on revient de côté sans que les petits soeurs, les petits frères et soient là et on lui dit telle personne ce que tu as fait toi-même tu sais que c'est pas bien donc tu dois corriger tu dois corriger, tu ne dois plus répéter ça. Donc il, doit, il va s'excuser auprès des parents et il ne va plus reprendre ça. Mais quand devant les enfants, on, le corrige directement, donc c'est une certaine liberté qu'on donne aux petits de, de parler mal. Et ça, c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Bien, merci beaucoup, Rachida. Avant de se dire au revoir, nous allons d'abord accueillir Olivier et sa chronique du jour. Très heureux de vous retrouver pour la chronique de ce soir, chers amis auditrices et auditeurs, les amis de la FADA, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, je nous amène loin des buzz des réseaux sociaux pour parler d'une performance nationale. Une performance qui touche un secteur important de la vie de la nation. Il s'agit bien du secteur agricole. Et pour cela, nous allons faire un tour au passé, un passé très récent parce qu'il s'agit là de 2022. Au Niger, la production rizicole 2022 est estimée à 149 626 tonnes, près de 150 000 tonnes de paddy. Madame Amina Abbas, directrice de la promotion des chaînes de valeur agricole au ministère de l'Agriculture, disait ceci à l'AMP. Eh bien, vous l'aurez compris, l'année 2022 a été historique pour l'agriculture nigérienne, principalement la riziculture. Les rendements moyens obtenus sont de 2,5 tonnes par hectare sur les sites or aménagés et près de 6 tonnes à l'hectare sur les aménagements hydro-agricoles, malgré une année 2022 marquée par des inondations, surtout dans la région de Difa. Chers amis, auditeurs et auditrices, l'espoir de l'autosuffisance alimentaire au Niger est permis. Et pour cela, la question à se poser est la suivante. Comment vous et moi, nous, la population nigérienne, pouvons contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Et pour cela, j'ai collecté juste pour vous trois points essentiels. D'abord, par l'intensification de l'agriculture. Les Nigériens peuvent contribuer à l'autosuffisance alimentaire en intensifiant leur production agricole. Cela peut inclure l'utilisation des technologies modernes pour augmenter la production, l'accès des semences de qualité supérieure et des systèmes d'irrigation appropriés reste dans ce sens un défi à relever. Ensuite, la promotion de l'agroforesterie et de la sylviculture. Les populations nigériennes peuvent promouvoir l'agroforesterie et la sylviculture pour améliorer la productivité des terres et réduire la dégradation des terres. L'agroforesterie et la sylviculture peuvent bien évidemment aider à améliorer la fertilité des sols et augmenter la diversité des cultures. Enfin, par la promotion de l'agriculture durable et de l'utilisation des ressources naturelles. Les Nigériens peuvent encourager l'utilisation durable des terres et des ressources naturelles telles le soleil, l'eau du fleuve et des différentes mares. Les amis de la FADA, c'est la fin de la chronique de ce soir. On se prend demain pour une nouvelle chronique. Merci Oli Hakane en matasa muka kawo karshen na mu fada na wannan ranar Asabar. Aujourd'hui nous étions en compagnie de Rachida Jibrilla elle est étudiante à l'IFTIC, Abdou Douna Rachida elle, est étudiante en droit, Halima Tousadia, maman commerçante, Aminatou Salifou pharmacienne informaticienne sportive, et Farida qui est aussi étudiante en journalisme. Merci à tous de nous avoir honorés de votre présence. Comme kuma de tsakanin babba da ƙannen shi girmamawa ita ce abin da ya kamata a sa gaba iyaye ma suna da nauyin da ya rataya a kansu su daina kwangomar yanne a gaban ƙanne ko ba haka ba <laughs> merci a tous da labar su sai kun gobe dan Allah ya kai mana rain da zamu dawo da wannan jigon amma kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalangu.